Senegal. Jaratu garu ba sonn mën nga jàng léegi te doo bouger doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën la Chers élèves, je vais en dernier lieu vous proposer la synthétisme de l'oxydoréduction. Productoire. Cinétique chimique. De l'oxydoréduction. Donc, je vais présenter la réaction là, une des réactions les plus classiques. D'accord hein? C'est la réaction entre les ions production de sulfate et les ions iodure. D'accord Donc, on considère les deux couples. Le couple S2O8, 2 SO4, 2 Et le couple I2, I. I, ici E0, 1, égale à 2,08 volts par exemple. E02, 1,54 volts. D'accord, I2, I-. Ici, on voit bien que I- est le réducteur le plus fort. S2O8-2- est l'oxydant le plus fort. I2 est appelé diiode, I- est appelé ion iodure, S2O8-2- est appelé ion peroxodisulfate. Peroxo peroxo du sulfate. SO4 est appelé ion sulfate. Donc ici, la réaction, on a I- va donne I2 en libérant les électrons. Et ces électrons-là seront captés par les par l'oxydant le plus fort. On aura S2O8 2 plus électrons donne SO4 2 D'accord. Maintenant, après ça, il va falloir équilibrer. Ici, on a deux atomes d'iode, un seul atome on mettra deux. Et du coup, on a combien de charges négatives Deux moins. Donc ici, on aura deux moins, deux électrons pour équilibrer les charges. Là, on a deux, ça, deux souffles, donc aussi, on aura deux S. On a quatre 8, 4 atomes d'oxygène, et là, on a quatre atomes d'oxygène, donc les oxygènes sont équilibrés. Mais du coup, on a quatre charges négatives ici, donc ici, on a deux moins, donc ici, il faut mettre pour équilibrer. Et après, on fait la somme membre à membre. Ici, vous voyez, les étons vont sauter. Donc, on aura 2i moins plus S2O8, 2 moins, donne I2 plus SO4, 2. Ici, en traduisant le bilan on aura NI moins disparu sur 2 égale à N S2 O8 2 moins disparu sur 1 égale à N. Ici, il y a 1, 2 égale à NI2 formé égale à NSO4 2 moins formé sur 2. Et ce qui est valable pour les nombres de moles à ah volume constant, c'est valable pour les concentrations molaires. Donc dans ce cas, on aura concentration de I moins disparu sur 2 égale à la concentration de S2 O8 2 moins disparu égale à la concentration I2 formée égale à la concentration de SO4 2 moins formée sur, sur 2. D'accord. Là aussi, on peut vous demander de déterminer, de d'établir une relation. D'accord. Donc ici, on peut dire que, par exemple, on peut donner i de formé et on vous, on, on vous demande de donner I moins disparaissant. Donc on aura dans ce cas I moins restant égale à I moins initial moins I moins disparaît Or, i moins disparu égale à 2i2. Dans ce cas, on aura i moins restant égale à i moins initial moins 2i2 formé. Donc si vous avez un tableau où on vous donne la concentration de 10 de formées à chaque instant, on peut en déduire la concentration des ions I- qui restent à cette même instant. Donc ici, vous aurez aussi à tracer une courbe I- en fonction du temps. Et ici, I- est un réactif chez les élèves, donc il faut s'attendre à, ce que ces valeurs diminuent au cours du temps. Donc I-, parce qu'on vous donnera I-, la concentration I- initiale dans Le tableau le valeur vous a donné I2 formé à chaque instant. Par, conséquent, on peut connaître à chaque instant la concentration des ions I moins D'accord Après, on trace la courbe. Et on aura une courbe qui est de cette allure-là. D'accord hein? Donc, c'est ça. Donc, voilà donc, ces élèves, les principales réactions subies que vous avez l'habitude de rencontrer en directe hydrolyse d'un ester, sa réaction inverse, la simplification, l'oxydoréduction. Donc, c'est comme ça. Donc, je pense que avec le cours de votre professeur et avec cette synthèse, si à l'examen vous tombez sur un exercice de chimie, vous devez maximiser vos chances. Si vous ne pouvez pas avoir quatre, au moins ces élèves aient eu trois. Parce que la chimie est plus accessible que la physique. Parce que ce sont des questions de cours Généralement, tout, tout est dans le cours. Il n'y a pas beaucoup de calculs. Vous pouvez même rencontrer des élèves, il n'y a pas de calcul. C'est la partie la plus accessible. Généralement, les élèves qui ont de très bonnes notes en PC ont 8 sur 8 en chemin ou ou 7. Si vous avez 5 sur 8, vous avez perdu beaucoup de points. Au minimum, minimum, et 6 sur 8. Ou bien débrouillez pour avoir 7 ou 8. Généralement, nous, les collecteurs, on trouve souvent des élèves qui ont 8 sur 8. Et généralement, c'est très là c'est 17-18. Donc vous faites 8 sur 8 en chimie et vous allez attaquer les 12 points qui restent. D'accord Donc maximisez votre, votre chance en chimie. Ne laissez aucun point à l'examinateur. C'est largement à votre portée. La chimie est largement à votre portée. C'est le cours. On apprend le cours, on apprend les définitions. Et on vient pour prendre les 8 points en 1h30. Et vous êtes hein, d'accord. Donc, je vous conseille donc maximiser vos chances en chimie. Et eh, prenez les points, c'est vous. C'est pour vous, pas, c'est pas pour l'examinateur, les points, c'est pas pour l'office du bac, c'est pas pour le correcteur, ce sont vos points. Prenez-les, prenez-les. Il ne faut pas laisser les points pour l'office du bac ou Ce sont vos points, prenez-les. D'accord Si on prend là les points en chimie, d'accord, on a de l'argent, beaucoup de sciences. Et généralement, je dis à mes élèves que l'épreuve de S2 ou bien S, c'est 6 matières ou bien 7 au maximum. Mais généralement, on commence par les sciences physiques. Si vous faites une bonne entrée en sciences physiques, supposons que vous avez 14, vous avez 6 points de, 4 points de plus. 4 fois 6, c'est 24. Supposons que le premier jour, vous avez 14 sur 20 au minimum. Vous avez donc 24 points de plus. Il reste d'autres manières. Je pense qu'avant que ces 24 points-là s'épuisent, le bac va finir. Il restera des points. Vous avez volé le bac d'office. Toutes les matières se valent. Apprenez toutes les matières. Mais c'est comme dans une famille. Si l'aîné réussit, les autres enfants ont beaucoup de chances de réussir. En S, on démarre avec les sciences physiques. C'est le premier jour, je me bats. Je me bats pour avoir au moins 14. Si j'ai 14, j'ai 24 points de plus. Si les mathématiques ne marchent pas, les SVT ne suivent pas, l'histoire-géographie, hein, avant que ces 24 points-là s'épuisent, le bac est épuisé, il restera au moins deux points de plus, vous avez 10 et quelques, et vous avez le bac d'office. Mais par contre, si vous avez 14 et que vous avez de bonnes notes dans les autres matières, à coup sûr, c'est la mention. Parce que 14 à 80% des cas, c'est d'office. Avec les 14 à 80% des cas, c'est d'office, le premier groupe. Mais si vous avez 14 et que vous avez encore de bonnes notes, c'est la mention à coup sûr. C'est la mention à coup sûr. Et imaginez que vous êtes bien entré en PC, vous avez la forme. Vous avez le courage de continuer, mais malheureusement, si vous trébuchez en PC, vous n'avez peut-être vous n'avez plus l'envie de continuer. Vous êtes stressé. Donc, toutes les matières servent une fois pour une fois de plus, il y a une interdisciplinarité entre les matières, certes, mais on commence par les sciences physiques je me bats pour avoir au moins 14. J'ai suivi normalement le cours pendant toute l'année. année. J'ai fait beaucoup d'exercices. Je, me bats pour avoir 14. Pour, ah, si vous avez 14 à poursuivre, c'est le premier tour. Quel que soit l'aide, c'est le premier tour. Maintenant, si j'ai 14 et que les autres marchent, c'est la mention. C'est la mention. Mais si vous avez un 5 ou bien un 7, il vous restera, vous allez chercher 24 points de plus. Si les matières ne suivent pas, il y a un problème. Donc, débrouillez-vous pour avoir au minimum 14 sur 20 pc C'est le bac à, c'est à coup sûr. C'est la mention ou d'office. Donc, on va donc vous arrêter là pour aujourd'hui et prochainement, je vais vous faire la partie, les exercices faibles, les solutions tampons, les exercices de base faibles et solutions tampons. Ok, merci. Jana tukero basona manga jangale gita dobuje do faywa Nge elef tatolo chi examelinga sala amda fita mugena Asure ko